Nous sommes euh, lundi 19 février 2024. Auditeurs, auditrices des programmes du studio Kalangou, bonjour. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour euh, notre émission Le Niger sur Kalangou. Je suis Ali Moukela Hussein alias Senou, et avec moi Rukayatou Abdurrahman pour vous servir. Bonjour Rukayatou. Bonjour Senou, j'espère que tu es d'attaque pour commencer la semaine. Ouais, Ok, super alors. Saluons également nos collègues de la régie. Nous avons Amina Hassan à la technique et à l'édition Adama Dawaki. Et oui, Ruki, au menu d'aujourd'hui, nous débuterons avec le flash d'information suivi d'un cocktail musical 100% nigérienne. Ensuite, nous aurons une séance de loti avec le desk femme du studio Kalangu suivi euh, par des analyses sportives de notre chroniqueur du jour, Guruza Hasmi. Sans oublier la culture linguistique. Toujours dans ce menu, c'est nous, dans la rubrique invité du jour, nous recevons Mamar Isaka Nafissa, membre de la cellule communication au sein du projet Mon École, un projet qui a pour domaine d'intervention l'éducation. Dans la rubrique Écho des régions, nous irons à Zander pour parler des prix euh, des produits alimentaires. Nous allons clore cette édition avec les messages de nos auditeurs. Chers auditeurs, installez-vous confortablement. Vous êtes assurés de passer un moment inoubliable en notre compagnie. Sans trop tarder, fidèles auditeurs, je vous propose de suivre le flash d'information avec Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Rukaya. Bonjour nous Bonjour. Alors pour ce matin, la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, COLDEF, a recouvré près de 16 milliards de francs CFA au cours des trois derniers mois d'activité, dont environ les 12 déjà encaissés avec des engagements, des engagements supplémentaires de plus de 3 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite par son président, le colonel Abdul Wahid Djibo, lors d'un point de presse vendredi. Ensuite, le barreau du Niger dans dans une déclaration samedi, a appelé les autorités publiques à faire respecter la loi par tous les Nigériens sans distinction. Le barreau du Niger s'est dit attaché à son indépendance et à la préservation de l'état de droit, la protection à la défense des droits et des libertés fondamentales et ne saurait continuer à garder le silence face aux graves violations de la loi. Pour rappel, le barreau du Niger au lendemain du coup d'État a attiré l'attention des nouvelles autorités sur la nécessité de préserver des droits et libertés des personnes et la protection de leurs biens. Et en réponse, le CNSP a réaffirmé son attachement au principe de l'état de droit et de la démocratie en assurant à tous l'égalité devant la loi. Et enfin, la quatrième édition de l'élection Miss Niger s'est déroulée samedi soir au Palais des Congrès de Niamey. Âgée de 21 ans, mademoiselle Nana Farida Abdul Wahab Amidou de la région de Niamey a remporté le titre prestigieux de Miss Niger 2023. Selon le président du comité national d'organisation, l'événement Miss Niger promeut l'image de la femme nigérienne et la place et sa place dans le processus du développement économique du Niger. Voilà pour le flash de cette de ce début de de ce début de, <laughs> semaine. <laughs> Merci Rafika pour ces informations, chers auditeurs. Nous l'annonçons tantôt. Tantôt, nous sommes aujourd'hui avec notre invité, Mamar Issa Nafissa. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Avec vous, nous parlerons éducation. Oui, mais avant de vous donner la parole, écoutons d'abord ensemble la première musique de notre sélection d'aujourd'hui. Je vous propose Samari Yanzou de Hadiza Mangou. la de l'homme animal. c'était Dan Adam de Hadiza Mangou en featuring avec euh, l'artiste Fenobi. J'espère que vous avez aimé. Nafisa, rebonjour. Rebonjour. <laughs> Pour commencer, présentez-nous brièvement votre projet. Merci beaucoup. Euh, je suis très honorée d'être l'invité du studio Klangou aujourd'hui. Euh, le projet Mon École, c'est un projet de jeunes. Nous travaillons à but lucratif et nous avons pour objectif de rehausser le niveau d'études des élèves par le biais de la lecture. Nous avons commencé le projet en mettant la lecture au devant de nos activités. Nous préconisons chaque mois un livre que nous examinons dans les établissements et à la fin du mois, à l'épilogue du mois, les élèves vont lire et après venir présenter. C'était ça le projet Mon École. Ok. Et hum, comment appréciez-vous la situation euh, de l'école nigérienne, la situation actuelle euh, L'école nigérienne est malade. Et dire qu'elle est malade, même, c'est un euphémisme. La situation, euh, le niveau est très bas. Que ce soit au niveau du primaire jusqu'au, jusqu'à l'université, nous, nous sommes confrontés à plusieurs difficultés, à énormément de problèmes. Et c'est ce qui a attiré nous notre attention mm-hmm. et pour créer autour d'une même idée rehausser le niveau d'études des élèves. Mm-hmm. D'accord. Et comment comparez-vous le niveau des élèves ici au Niger Le niveau et la comparaison que nous pouvons faire, je ne sais pas comparer le niveau des élèves à d'autres établissements ou bien à d'autres euh, élèves de la sous-région. Oui. Personnellement, j'ai eu à faire le Bénin, le Togo et le Ghana. Mhm. Si nous prenons l'exemple du Bénin, ils mettent plus l'accent sur l'étude qu'aux autres activités comparativement au Niger. Quand vous rencontrez... Les autres activités comme quoi Oui, mm-hmm. les autres activités, et je peux dire les activités récréatives comme ça, voilà. Et si nous prenons un élève du Bénin, et même quand on se retrouve à l'université, quand ils viennent continuer leurs études à l'université, il y a une différence entre nous et eux. Pour, nous et, eux, et pourquoi Parce que à la base, nous n'avons pas eu les mêmes formations. Ils ont eu une formation très commando par rapport à nous qui, à l'école primaire, il y a, c'est laissé passer où nous avançons certes, mais pas avec euh, le niveau qu'il faut nécessaire, le niveau nécessaire pour être dans la classe demandée. Ok. Alors, euh, quels sont les principaux défis auxquels votre projet est confronté euh, lorsqu'il s'agit de rehausser les niveaux des élèves Les principaux défis auxquels notre projet est confronté, hmm. c'était surtout avec le corps, les établissements. Tout début, c'était les établissements. Quand des jeunes se présentent à vous, c'est pas facile souvent de les les recevoir de les recevoir ou bien de les comprendre. Hmm. Souvent, il faut que nous faisions le terrain parce que nous intervenons dans plus de 40 établissements à Niamey. Nous sommes dans la sous-région également, dans trois régions et on va continuer encore dans d'autres régions. Hmm. C'est pas facile. Il y a également euh, nous n'avons pas assez de livres pour donner à tous nos adhérents. Dire 40 établissements, c'est énorme. Et nous intervenons dans tous ces établissements-là. Il y a également lorsque les élèves prennent les livres, souvent ils ne remettent pas. J'ai oublié de mentionner que nous étudions uniquement euh, les livres nigériens. Nous avons pensé que étudier la littérature nigérienne, c'est d'abord connaître l'histoire nigérienne et connaître également la culture nigérienne. Et qui dit culture, qui dit histoire, parle de littérature. L'objectif était fixé à ce niveau. Pourquoi utiliser la lecture comme unique moyen de rehausser le niveau d'étude nous savons tous qu'à l'image du corps, le cerveau se nourrit à travers la lecture, par le biais de la lecture. Mm-hmm. Et l'esprit qui ne lit pas, même le champ de sa pensée est rétréci. Mm-hmm. Si on ne lit pas, on ne va pas, avoir, euh, euh, ses connaissances, on ne va pas connaître son propre passé et tout ce qui s'ensuit. Et mm-hmm. on a aussi les problèmes automobiles souvent pour se déplacer aller vers les établissements, pour aller informer ou pour aller donner les documents et tout ce qui s'ensuit. Euh, il y a tout un tas de problèmes, souvent c'est toujours le coordinateur, chez K, mm. qui gère, il, il a toujours eu les moyens de nous gérer en tout cas, mais on n'a pas un véhicule à notre disposition. Ok, Nafisa, euh, quelles sont les stratégies ou programmes spécifiques que vous mettez en œuvre pour améliorer les performances des élèves dans les écoles nigériennes Merci beaucoup. On a plusieurs programmes. Ok. Mis à part le, euh, la lecture, il y a l'informatique, il y a le leadership, mhm. il y a le civisme. Mhm. Et on a plusieurs programmes et peut-être je vais m'en souvenir encore. D'accord. Alors, euh, avant de poursuivre, euh, je tiens d'abord à rappeler que nous avons retenu quelques points essentiels euh, à travers votre intervention. Donc, mm. nous avons retenu que vous avez énormément de difficultés euh, d'accessibilité aux différents euh, établissements pour euh, non seulement apporter votre contribution, vous avez aussi ces problèmes de manque des livres que vous apportez aux élèves pour leur permettre de rehausser leur niveau. Mm. Vous avez aussi un sérieux problème de logistique qui vous cause problème dans vos déplacements. Alors, avant de continuer, marquons une petite pause musicale avec ce titre de Medzi Tambari. Il s'agit de Al-Qaïda. On y va, c'est parti. Al-Qaïda comme neveu. Al-Qaïda comme neveu. Fier de ma poids, peuple putain d'Africains, c'est pas de ma faute si t'as gros mes follow. L'on est là quand tu y sens, tu vaincu, je suis de tout pour décharger tout mon photo. Toujours entouré, pas de vrai, je vous serai fidèle jusqu'au tombeau. En sort que de nous, on n'est pas des faux crier des hits, c'est ça nos seuls faux. Les talents, c'est nous négro, la grande gueule, c'est vos tatoues. Puis Dakar et je l'imaginais. Yeah. Pra, pra, allez à la MHD. Si on me kiffe, c'est pas bon fortuit. Moi et ma visite, c'est ton ma nuit. Les bains sont assurés, les jaloux sont virés, appelle-moi le padre. Yeah, yeah, je suis le pour La concu est là, juste pour m'aiguiller. Je suis tellement loin, raison pour laquelle je le même oublié. Ils ont commencé, ils ont dû reculer, les games ils l'ont plié. Je suis tellement loin, même la concu appelle de moi, il m'appelle Al-Qaïda. Ah, Al-Qaïda, pour tout Sénégal, je suis Al-Qaïda. Ah, Al-Qaïda, ils ont peur de moi, je suis Al-Qaïda. Ah, Al-Qaïda, pour tous Sénégal, je suis Al-Qaïda. Ah, al Arrête la musique bête ou quoi Et eh oui, mezzi euh, Medzi Tambari est un artiste euh, rappeur nigérien. Euh, il a commencé à rapper depuis son adolescence en reprenant des morceaux d'artistes américains célèbres. Elle a mon numéro, c'est pas la joie. J'en ai déjà de même si malinois. On va aller loin, afro du Tu verras mes sons de tous les couloirs. Dans des textes, d'autres foutoirs. Ah, t'as pas bonne mémoire dans tes textes, donc fous-toi. Ah, t'as pas bonne mémoire. Je dis ce que je vis, c'est vérifié. Tout ce que je dis, c'est vérité. Pendant que tu sors de la quantité, putain, je me contente des qualités. Tu parlais, tu parlais, tu parlais Jusqu'à là, c'est moi qui sur le palais. Tu parlais, tu parlais, tu parlais Jusqu'à là, c'est moi qui je le palais. Yeah. Je suis le brouillé, la conque là, juste pour me loin. Raison pour laquelle je l'ai même oublié. Ah. Ils ont commencé, ils ont dû reculer, les games, l'ont pillé. Ah. Je suis tellement loin, même là quand tu as peu de moi, ils m'appellent Al-Qaïda. Ah, Al-Qaïda. Pour tous Sénégal, je suis Al-Qaïda. Ah, Al-Qaïda. Ils ont peur de moi, je suis Al-Qaïda. Ah, Al-Qaïda. Pour tous Sénégal, je suis Al-Qaïda. Ah, Al-Qaïda. Corromp, Empire. Empire. Team Nagori, Al-Qaïda comme neveu. Al-Qaïda comme neveu. Voilà, cher auditeur, Al-Qaïda, c'est bien le titre que vous venez d'écouter, euh, chanté par l'artiste Medzi. Poursuivons euh, nos échanges avec euh, Nafissa. Je rappelle qu'elle est membre euh, de la cellule communication du projet Mon École, un projet qui intervient dans le rehaussement du niveau des élèves au Niger. Alors Nafissa, pouvez-vous partager quelques récits ou exemples concrets de l'impact positif que le projet a eu sur les élèves et les établissements scolaires jusqu'à présent D'accord l'impact positif d'abord si le projet ne fonctionne pas bien, euh, les enseignants ne vont pas nous envoyer leurs élèves. Et chaque fois, chaque soir, uh-huh. on a euh, plusieurs élèves, et c'est des cinquantaines, voire plus, qui viennent pour faire des cours. Nous faisons les cours, euh, par exemple, pour le lycée Cassé, tous les élèves qui sont, qui ont redoublé les classes de 6e, 5e, 4e, 3e, le collège, mm. on les prend pour les former. Mm-hmm. Euh, on, les, on, leur fait les matières, plusieurs matières à la fois, mm. pour les former au sein de notre siège. Mm. J'ai dit également qu'on intervient dans plus de 40 établissements. Mm-hmm. Tous ces établissements, nous sommes en collaboration avec eux, nous travaillons avec eux, et chaque fois, mm-hmm. chaque fois, chaque, chaque jour, on a des nouveaux à dire. Mhm. Et justement, Nafisa, nous aimerions bien savoir comment votre euh, projet collabore-t-il avec ces écoles, ces enseignants et les autorités éducatives pour maximiser son efficacité. Oui. Euh, notre collaboration, d'abord, on part vers eux, on leur explique nos objectifs, notre but à atteindre. Et c'est suite à cela que euh, vraiment ils nous envoient leurs élèves à adhérer au projet Mon École. Mm-hmm. Vous avez parlé également des, différentes matières que vous enseignez. Mm-hmm. Euh, est-ce que vous pouvez nous citer quelques-uns Oui, on fait souvent la grammaire, les maths et tout, parce que j'ai oublié de dire que dans le projet Mon École, et tous les membres, il y a plusieurs domaines. Il y a des médecins parmi nous. Mm-hmm. Moi, je suis communicatrice, je fais LAC. Euh, à l'université, lettres, arts communication, à l'université Abdoumoun. Il y a des ingénieurs, il y a du tout. il y a vous, du tout parmi vous, êtes, vous êtes combien au total, ceux-là qui donnent les informations Ceux-là qui donnent les informations, il y a plusieurs cellules. Il y a plusieurs cellules. Il y a la cellule informatique, il y a les informaticiens, il y a la cellule communication, il y a nous, les, communicateurs, les communicants et tout. Il y a également la cellule mobilisation la mm. cellule mobilisation qui consiste à aller sur le terrain, mm-hmm. qui consiste à, parler du projet dans les établissements. Mm-hmm. Et au niveau de la cellule informatique, cette cellule, elle est chargée uniquement de former les adhérents mm. sur les machines, sur les ordinateurs, souvent au siège du projet Mon École. Pour mhm. ceux qui ont des ordinateurs et pour les adhérents qui, n'ont pas des ordinateurs, on part à Annecy, ici à la présidence. Mhm. C'est là-bas on fait les formations mhm. pour eux. Et comment on adhère à votre projet L'adhésion, c'est simple. Et au début, c'était à 2000 francs pour avoir la carte. Mais comme du jour au lendemain, les programmes augmentent les objectifs euh, s'élargissent également. On a amené ça à 12 000 francs. 12 000 pour avoir, euh, c'est tout le long de l'année. Mhm. Euh, la carte, vous faites votre carte, ils vont vous prendre une photo mhm. là-bas au sein du siège et puis vous prenez votre carte et vous aurez accès à toutes les formation que nous allons faire. Mhm. Toutes les formations, il y a toujours des formations à faire. Mhm. Et euh, avec cette carte seulement, vous ne payez rien. Mhm. Est-ce que, est-ce que euh, vous intervenez euh. dans les, matières scientifiques, par exemple, les mathématiques, les, les, physiques Oui. Il y a même un projet qu'on a écrit sur ça, spécifiquement sur les matières scientifiques. Le projet, c'est basé sur trois établissements. Euh, le lycée cassé et deux autres écoles. bon, vous allez certainement dire pourquoi toujours le lycée cassé, parce que le coordinateur est fruit du lycée cassé, donc euh, il connaît mieux les les problèmes auxquels ils sont confrontés. Mhm. Et bon, la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Et, voilà. Est-ce qu'il y a des initiatives ou des programmes futurs que vous prévoyez de mettre en place pour renforcer davantage l'impact de votre projet? Oui, nous sommes toujours en réflexion. Nous travaillons constamment, tout le temps d'ailleurs, et nous avons plusieurs projets à faire. Par exemple C'est secret. <laughs> nous avons plusieurs projets à faire. Par exemple, il y a, il y a une cellule que j'ai pas mis, cellule programmation, et il y a une cellule qui est chargée uniquement pour écrire des projets. J'ai oublié de dire aussi que nous formons nos, nos, adhérents sur comment écrire des projets pour ceux qui ont des idées de projets. Ah. Et chaque, oui, on fait ça. Mm. Et imaginez des formateurs qui forment les autres à comment écrire. C'est mm. que nous-mêmes, à chaque fois quand quelqu'un a une idée, on se met sur table, on discute sur ça, mm. on écrit, on dépose. Quand il y a un appel de projet, le plus souvent, le projet est déjà là. Euh, sur tout, euh, comment on mhm. appelle ça Surtout les thèmes qui sont d'actualité, on a presque des projets déposés sur ces genres, que ça soit sur l'entrepreneuriat. Mhm. On prend aussi l'entrepreneuriat de nos adhérents. D'accord. Alors, euh, pour finir, la dernière question comment les, partenaires locaux et internationaux, euh, internationaux peuvent-ils soutenir ou contribuer à l'effort de rehaussement du niveau des élèves au Niger, selon vous Les partenaires vraiment, peut-être c'est lancer un appel, je sais pas. Mhm. Voilà comment ça va se faire. Mhm. Les partenaires peuvent vraiment nous aider. Mhm. En quoi faisant En quoi faisant En nous apportant des livres, on en a vraiment besoin. En nous aidant sur notre logistique, parce que nous travaillons sur le bénévolat. Et il n'y a pas, on n'a pas un bailleur qui aujourd'hui, pour faire des activités, on doit aller vers lui. Euh, bien que nous remercions certains partenaires qui vraiment, en voyant ce que nous faisons, euh, il y a d'autres qui viennent vers nous pour nous aider. Mhm. Euh, on a vraiment besoin d'aide parce que nous sommes des jeunes. On a eu une idée qui peut-être les anciens mhm. Euh, pouvait faire ça avant nous. Sans souci, certainement, les partenaires sont à l'écoute et certainement, ils vont répondre à votre appel. Merci <laughs> infiniment, Maman Issa ça d'avoir répondu euh, présente à notre invitation, euh, mais aussi d'avoir répondu à toutes nos questions. nous vous souhaitons une excellente journée. Merci beaucoup. Ok, on prend une petite pause et on revient juste ah, après. oui, on revient juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Fidèles auditeurs, il est 11 heures passé de 27 minutes et vous êtes sur l'émission Le Niger sur Kalangou. C'est l'heure pour nous d'attaquer la rubrique hebdomadaire, n'est-ce pas Seno Oui, Rukaya, nous sommes lundi, nous allons parler justice. Exactement nous et aujourd'hui la rubrique nous parle de plaidoyer coupable. Le plaidoyer coupable est une procédure pénale qui consiste à fixer la peine d'une personne poursuivie avant de comparaître devant le juge. En quoi consiste cette procédure pénale Quelles sont les conditions de son application Maître Ali Moussa répond au micro d'Anissé Karim. La Cour. L'audience est ouverte. Dans l'administration de la justice, les juges disposent du pouvoir discrétionnaire d'accorder ou pas une liberté provisoire aux personnes inculpées. En quoi consiste la liberté provisoire Les précisions de Maître Ali Moussa. Ce sont euh, des mesures qui sont prévues dans le Code de procédure pénale aux articles 133, 134, qui consistent à mettre provisoirement un inculpé ou une personne qui est devant principalement le juge d'instruction avant la fin de la procédure. Euh, au moment du jugement, il comparait pour être jugé. C'est un droit également pour ceux qui sont en détention de pouvoir demander cette liberté provisoire à toute étape de la procédure. La mise à liberté provisoire d'un détenu ne s'accorde pas à la simple demande de l'intéressé ou de son conseil. La loi fixe des garanties explique Maître Ali Moussa. Le juge d'instruction s'accorde à vérifier si cette personne détenue présente des gages de représentativité. Généralement, si la personne n'a jamais fait la prison, on sait où il est, il, surtout s'il a une fonction à exercer et qu'au moment où le juge voudra le revoir, il peut se représenter devant le juge. Donc quand euh, il y a toutes ces garanties-là, le juge d'instruction peut accorder la liberté provisoire. Parmi les termes juridiques en lien avec la relaxation d'un détenu, on peut citer aussi la liberté conditionnelle et le sursis. Il y a bien une nuance, voire même une différence entre les trois, précise maître Ali Moussa. D'abord, le sursis est prévu par les articles 676, 77 pour le code de procédure pénale et, et surtout, c'est une suspension de l'exécution de la peine, c'est-à-dire euh, c'est une condamnation, mais qui n'ordonne pas la détention. Ça a un délai de 5 ans. Au bout de 5 ans, euh, si vous répétez la même infraction ou une infraction similaire, quand on vous reprend, il y a des conséquences sérieuses. On révoque le sursis et généralement, on vous condamne même au double de la peine. Maintenant, la libération conditionnelle, c'est quand le condamné arrive à purger un certain nombre d'années de sa peine et s'il présente des gages sérieux, s'est bien comporté pendant son séjour carcéral, il peut émettre une demande de libération conditionnelle avec des conditions. Et cette libération est accordée par le ministre de la Justice, après avis du ministère de l'Intérieur, après la demande bien bien sûr du condamné. On a la liberté provisoire, on peut au moment du jugement vous rappeler pour revenir et recevoir votre condamnation, votre jugement. C'était là la rubrique hebdomadaire. C'est nous, nous allons une, encore, encore, une fois de plus consommer de la musique. Cette fois-ci, on va aller avec Denke Denke de Yakuba Moumouni. Voilà, c'était euh, l'artiste Yakuba Mumuni dit Denke Denke. Pour rappel, euh, Denke Denke, c'est un célèbre flûtiste nigérien. Il est également auteur, compositeur et chanteur du groupe Mamar Après cette pause musicale, cher auditeur, direction Zander pour parler des prix des produits sur les marchés. Suivant ce reportage signé Mustapha Maman. À trois semaines du début du mois de Ramadan, mois de grande consommation, les prix des denrées alimentaires connaissent une certaine baisse sur le marché azender. al Alaji Alimi Armaji cite quelques prix pratiqués sur les différents marchés. Au mois passé, on vendait l'huile à 24 000, 25 000. Maintenant, l'huile c'est à 21 500. Le blé avant, le 25 kg, c'est à 11 500. Et maintenant, c'est à 10 500 francs. Le spaghetti avant, c'était à 6 000, 6 500. Mais maintenant, c'est à 5 500 les spaghettis et les macaronis. Si tu prenais le sel, avant le mois passé, c'était à 6 000 francs le sac. Et maintenant, c'est à 3 250, 3 500 francs le sac. Maintenant, actuellement, le riz, c'était à 14 750, la bonne qualité qu'on peut vendre ça. Le mois passé, c'était à 15 000, 15 500. Cette baisse du prix des produits s'explique par l'arrivée des camions régulièrement convoyés selon certains commerçants. Dans une semaine, on a levé 500 francs le spaghetti et le macaroni. Dans une semaine parce qu'il y a beaucoup de camions qui sont venus ici à Zender. d'après le constat sur le marché de lait de Zender les produits de première nécessité sont disponibles les consommateurs espèrent que ces prix se maintiendront d'ici le mois de Ramadan voilà, chers euh, auditeurs, vous venez d'écouter le reportage de Mustapha Mamansani. OK, on prend une petite pause et on revient juste après. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. À présent, accueillons Gourouza Hasmi, notre chroniqueur sportif du jour. Bonjour Gourouza. Bonjour Seno, bonjour Ruki. Bonjour Gourouza. Alors Gourouza, la phase allée de la 16e journée de la Super League a eu lieu ce week-end sur l'ensemble des stades du pays. Oui Ruki, euh, Runana, FC Darlit a été tenu en échec par l'Akokana sur le score de 2 buts à le Jean Gorzo de Maradi a disposé de l'espoir de Zender sur le score de 3 buts à 0. L'ASFAN a battu l'Olympique sur le score de 2 buts à 0. L'Union sportive de la gendarmerie a été surpris à Niamey par la JST de Tawa sur le score de 0 buts à 1. L'AS Police a battu le Zumunta sur le score de 2 buts à 1. 2 0 entre le Sahel et Tagour de Dosso. Match nul 1-1 entre la douane et la garde nationale. Au terme de cette 16e journée, l'ASFAN occupe toujours la première place avec 38 points, suivi de la Nigélec 31, 31 points et troisième la Garde nationale avec 28 points. Euh, la quatrième et cinquième place sont respectivement occupées par la gendarmerie 27 points et 26 points. En bas du tableau, Espoir FC de Zender avec points. Alors Gourouza, l'Algérie a abrité du 17 au 18 février 2024 Africa Coupe d'Algérie de judo, n'est-ce pas Oui, sinon c'est un événement qui s'est déroulé au complexe olympique Mohamed Boudiaf d'Alger. La compétition a drainé la participation de 150 judokas dans, euh, dont 100 du côté des messieurs et 50 chez les dames, représentant 19 euh, pays des 5 continents. Jibo Abdelaziz, 55 euh, kilos, a représenté le Niger et a remporté la médaille de bronze en Chito lors de cette euh, compétition continentale. Gourouza, après la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire, déjà l'on se prépare pour la prochaine. Oui, Ruki, la compétition continentale va se dérouler au Maroc euh, selon la CAF, la Confédération africaine de football. Le tirage au sort du tour euh, préliminaire de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 est prévu demain mardi au Caire en Égypte. Nous y reviendrons d'ailleurs plus en détail demain. Merci, pour merci pour ces informations. Alors, chers auditeurs, il est l'heure de découvrir notre star du jour. Oui, Ruki, et la star du jour se nomme Halimatu Amadou, une jeune réalisatrice. Elle a suivi un cursus en diplomatie et relations internationales. Aujourd'hui, elle entre elle entre dans le monde du septième art tout en tout a commencé en 2021 euh, grâce au projet Yeli Film. School Followers, c'est ça hmm, School Followership, voilà, financé par l'ambassade des États-Unis au Niger. Pour en savoir plus, eh, Ismaël Harouna s'est entretenu avec elle. Voici son reportage. Âgée de 25 ans, Halima Doumbia s'est très tôt éprise du cinéma. En 2021, elle participe aux ateliers Yenenga du FESPACO avec comme parrain le Sénégalais Alain Gomi qui a remporté l'étalon d'or au FESPACO 2017. Auparavant, Halima est lauréate de concours tels que le prix du jeune écrivain français en 2017, celui du Festival Écriture dramaturgique la même année. Elle nous dit ses motivations. Les raisons pour lesquelles je fais du cinéma, c'est parce que dans le cinéma, cela me permet en fait de raconter des choses de manière visuelle, de parler avec des films, des images, de dire ce que je pense. C'est aussi une façon de raconter les histoires des autres, je trouve. Et ce qui me motive beaucoup, beaucoup aussi à faire du cinéma, c'est le monde. Il se passe tellement de choses dans le monde, on a tellement d'histoires à raconter dans le monde. Pourquoi ne pas parler, ne pas faire du cinéma si j'ai cette chance-là de faire tout cela Halimatu Amadou Doumbia a cinq courts à son actif, dont le premier s'intitule Les Vagues. Il a été réalisé dans le cadre du programme de bourse d'école de cinéma Yali, mais Halimatou a un coup de cœur pour un en particulier. Elle remercie l'équipe de tournage pour la bonne collaboration. Et après aussi, euh, j'ai réalisé Un air de liberté avec euh, Magic A Production. Je, dirais, je dis merci, merci à, à cette équipe euh, fantastique. Nous avons réalisé un film qui est un court métrage de 5 minutes qui est super, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tous mes films d'ailleurs. Son dernier court métrage Weiboro, qui veut dire femme en français, a été réalisé dans le cadre du concours de scénario organisé par le Centre national de la cinématographie du Niger CNCN et produit par le 2D7 Focus. Habibou Haruna, promoteur de la maison de production. C'était d'ailleurs une initiative du Centre national de la cinématographie. Ils ont fait un appel à candidature pour que des jeunes réalisateurs puissent soumettre euh, des scénarios qu'ils vont coproduire avec des producteurs euh, nigériens. Le scénario de Halima Doumbia Weboro, qui parle euh, de l'excision des jeunes femmes, a été retenu parmi ces scénarios, m'a approché pour me présenter le projet que j'ai beaucoup aimé. Weboro et l'un des chefs d'œuvre de la jeune réalisatrice a été récompensé à l'international selon Omar Yaya, chef de division et relations publiques du CNCN. Ce film euh, réalisé par Halima Doumbia a participé au concours court-métrage Clap Ivoire et a remporté le premier prix la même année. Halima lance un appel aux jeunes qui veulent se lancer dans le cinéma. En tout cas, j'aimerais bien dire à ces filles que surtout, il ne faut pas abandonner. Si vous avez envie de parler, de faire du cinéma, filmez. vous surtout amusez-vous. Il faut s'amuser en faisant du cinéma. Ne vous mettez pas la pression. Amusez-vous. Pour Halimatu Amadou Doumbia, le cinéma est un moyen de créer un monde à travers les images et les mots pour donner de l'espoir et le bonheur aux autres. Après ce portrait très inspirant, dégustons ensemble notre dernière musique prévue dans le menu d'aujourd'hui. Il s'agit du morceau La Fiata Kalau de Philo La Diva. I'll be. Oui, voilà, c'était là le titre La Fiata Kalaou de Philo La Diva. Chers auditeurs, euh, poursuivons notre émission et cette fois-ci euh, avec le loti Seno. Exactement. Alors ce lundi 19 février 2024, le loti porte sur la maltraitance des enfants par les nounous. Selon des témoignages de parents, certaines nourrices en leur absence maltraitent les enfants qui leur sont confiés. Écoutons la discussion entre euh, Salamot Kadri, Aminata Boubakar et Nour Hassan sur le sujet. Affairage, affairage, affairage, affairage. imbécile, la ferme. Bois ce bouillon. Hein. Si jamais tu l'as vomi encore, je te donnerai une gifle. Tu as blessé ce que je t'ai fait hier. Lorsque tu as fait caca dans ta culotte, je te fermerai encore dans ta chambre, imbécile. Tu me connais bien. Hein. Qu'est-ce que je viens d'entendre là <laughs> Tanti, C'est comme ça que tu maltraites mon enfant un enfant innocent qui a à peine 9 mois Hé, hé, hé, regarde-moi. Est-ce que toi tu es normal Tati, désolée. C'est comme ça que tu me remercies Après tout ce que j'ai fait pour toi Tati, c'est la première fois où... C'est pas vrai. Ah, j'ai pas compris la première fois. Pourtant, j'étais entendu dire hier, tu l'as enfermé dans la chambre. Tu te moques de moi mm, Non, Tanti dit pardon. Hey, eh, moi tes pardons. Regarde comment tu as traumatisé ma fille. C'est pourquoi souvent quand je rentre, je la trouve bizarre, traumatisée. Des petites blessures sur son corps. Ses yeux deviennent rouges, mais tu trouves toujours quelque chose à me dire. Hein? Des fois, tu dis même qu'elle est tombée, qu'elle est tombée malade. D'ailleurs, ramasse-moi tes clics et clics et fous le temps d'ici avant que je ne réponds plus de moi. Hein. pitié, oh. je veux plus jamais recommencer. Voilà Ne me pousse pas à faire un truc qui va te conduire à l'hôpital. Je te jure, tu ne me connais pas. Hein. Subhanallah. Madame, ne faites pas ça. Qu'est-ce qui se passe On vous entend depuis la porte. Hein. Tu vois cette fille-là la fille là que tu vois là, c'est une vipère. Regarde comment elle a traumatisé mon bébé. Hein? Traumatisé Ce n'est pas possible. Explique-moi. Je l'ai surpris en train de battre ma fille de neuf mois je l'ai même entendu dire que même hier, lorsque j'étais au boulot, elle l'a enfermée dans la chambre parce qu'elle a fait caca dans sa culotte, s'il te plaît. Hein? Comment peut-on être cruel à ces points hein? Mais c'est pas possible. Ce qu'elle fait là, c'est grave. Hein. Sors de ma maison. Je veux plus jamais te revoir. Tanti, eh, pitié. Je veux plus jamais recommencer, Tanti. Hein? Je te jure, si tu ne sors pas de ma maison, je vais te frapper au pot où tu vas ouvrir les yeux à l'hôpital. Madame, s'il vous plaît. Je sais que ça fait mal. Mais s'il vous plaît, essayez de garder votre sang-froid. Tu sais pas que traumatiser l'enfant là peut te conduire en prison Mais quant à vous, madame aussi, gardez votre sang-froid. On se fait pas justice soi-même. Il faut laisser tout la, dans la main de la justice pas de justice oh. Tati, tonton, pas de justice. Je vous promets de ne plus jamais recommencer. walaï Aïe, ah, la femme. Sors de ma maison. Tu ne vas plus jamais remettre tes sales pieds ici. Euh, euh, Ingrate. Pardon, je n'ai nulle part où aller. Notre village est très loin d'ici et là-bas, il n'y a que de la misère. Hmm, tu devrais penser à ça avant de commettre cet acte. J'étais accueillie chez moi à bras ouverts. J'étais considérée comme ma propre fille. Maintenant que tu n'as plus faim, hein, c'est comme ça que tu me remercies. Hein? Mais réponds oh, Mais vous les femmes là, vous m'étonnez vraiment. Comment accueillir une étrangère chez toi Tu lui laisses ta maison et ton enfant à ton absence. C'est une amie qui me l'a présenté. C'était l'ancienne bonne de sa voisine. Hmm, voilà, faites très attention. Il faut savoir qui vous laissez rentrer dans votre maison. Tu ne la connais pas tu ne connais pas ses parents, tu ne connais personne d'elle. Et si quelque chose arrive, qui est-ce que tu vas contacter Faites très attention, je vous dis. Voisin, tu as raison. Dans ma famille, tous les enfants vont à l'école. Il n'y a personne qui pourra venir garder mon bébé. Mais dorénavant, je saurai à qui confier mon enfant. En tout cas, ça serait mieux de... Hé, eh, tu fais quoi encore ici Hein? S'il vous plaît, donnez-moi une dernière chance. Ah, ah, ah, Et puis tu as le kilo de me supplier pour te laisser encore vivre chez moi. Comment peux-tu imaginer que je vais te laisser rester chez moi encore, même une seconde Ramasse tes affaires. D'ailleurs, même, je vais t'amener au commissariat sur le champ. pas de comme commissariat, Tati. Eh, tais-toi, s'il te plaît. Madame, je vous comprends parce que ça fait vraiment mal. Mais essayez de vous calmer, s'il vous plaît. Pas de prison, s'il vous plaît. rêve vient également de vous. Et puis, elle est sincèrement désolée. En la voyant même, on voit qu'elle regrette ce qu'elle a commis. Non, non, non, elle ne regrette rien du tout. Laissez-moi l'amener au commissariat. On va la faire souffrir comme ça, elle n'oserait jamais faire encore du mal à notre bébé. Tati, voilà, je ne veux plus jamais recommencer. S'il vous plaît, Tati. C'est moi qui prends en charge mes parents avec le salaire que vous m'avez donné. Si vous m'envoyez en prison, qui va prendre soin de Tati Ayez pitié. Madame. Tais-toi, s'il te plaît, toi aussi. Madame, c'est vrai, ça fait mal. Mais ayez pitié de ses parents. Pas de prison, s'il vous plaît. Aïma, merci beaucoup pour les conseils. Mais Wallah, si c'est pas à cause de vous et de ses parents, aujourd'hui, elle allait passer la nuit en prison. Mais elle ne va plus jamais travailler pour moi. Allez, voici. Vite, vite, vite, vite. mais tu n'as pas entendu ce qu'il a dit J'arrive. Madame, merci beaucoup. Hein. De rien. à toi là. Prends tes affaires et quitte. Ou que tu veux qu'elle t'amène en prison Tu prends tes affaires. Pas de prison. Bon, quoi Ne pleure plus, ma fille. C'est fini, ma fille, désolée, c'est fini. Chers auditeurs, c'était le loti du jour. À présent, retrouvons Samira Oumarou pour la culture linguistique en anglais et en français. Elle nous vient avec le mot crise. Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans votre émission Culture linguistique. Hello ladies and gentlemen, welcome to your favorite show Culture linguistique. Suite aux événements du 28 juillet, notre pays, le Niger, fait face à des multiples crises. De ce fait, le mot du jour est crise. Que veut dire crise en anglais En anglais, le mot crise veut dire crisis. Crisis is an extremely difficult or dangerous point in a situation. Crisis is an extremely difficult or dangerous point in a situation. C'est-à-dire que une crise est une situation extrêmement difficile ou dangereuse. Let's take an example. In Niger, banks traverse an economic crisis in Niger, banks traverse an economic crisis. That means au Niger, les banques traversent une crise économique. Un deuxième exemple. A crisis can bring out the best in people. A crisis can bring out the best in people. Qui veut dire que une crise peut faire ressortir le meilleur des gens. Un dernier exemple. They have to set strict rules to survive an economic crisis. They have to set strict rules to survive the economic crisis. That means ils doivent établir des règles strictes pour survivre à la crise économique. Une crise est un phénomène qui se produit dans de nombreux domaines. Elle nécessite une gestion particulière. A crisis in some cases can be beneficial and lead a change. Ladies and gentlemen, that's all for today. C'est un plaisir d'être en votre compagnie. It was a pleasure being with you. Join us next time. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Voilà, merci Samira Oumarou. Chers auditeurs, euh, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message un message écrit au 82 89 89 64. Écoutons ensemble les messages vocaux de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. Radio tana da amfani sosai. Abubuwan da baka san da shi ba ma an ka kunna radio ka ji shi. Kullun radio muna turaren ta. jiya musu duka muna turare. Ko ga rana, rana ce wanda ya kamata duk gaba ɗaya mu taru mai murna ta. Saboda yau alhamdulillah radio a faɗin duniya gaba ɗaya ta hudda mutane shahilci. Wani duhun kai duka ta hidda mu. Kai hatta da addini. Yau albarkaci radio irin karo da aka yi a addini mutane sun san addini sun san kabili sun saba kenan alhamdulillah. Radio Kalangu ba ma labarin ta kwana. Radio Kalangu gaba ɗaya duka irin ayyukan da take babu wanda za a ci a sha kowane na faɗakarwa ne kuma kowane ta shi yana da muhimmanci sosai radio kalangu ba taɓa yin aiki dan kanta ba duk abin da take dan talaka ne dan ci gaban talaka ne duk inda suka tsinka matsala inda suke birge ni daga sun tsinka matsala za ta zo kafin ta iso sun shaida ma talaka su yi hatara ga matsala kaza tana zauwa kuma a yi maza a nemi. magance ta alhamdulillah goyon baya ɗari bisa ɗari garin bisa ga radio kalangu. radio kalangu ai international ne mu mun santa kuma duk kullum muna shuraren ta radio kalangu tana da amfani sosai muna jin ta kullun dare dare ga radio kalangu wallahi tallahi mamman gungu muna ganin ta da alheri abubuwa da baka san da shi ba ma an ka kunna radio kalangu ka ji shi kullun radio kalangu muna cikin ta muna turaren ta radio yana abu na farko wanda za a sanya wa gaba ga ci gaba tunda ana unguwani da shi ana gaya sakonni ana unguwani da shi ana waye kawuna kenan sai mu ce alhamdulillah samun radiyo ga karkara ba karamin ci gaba ne ga kasa tun daga da in za wata sanarwa sun aika mutum da doki da yan kuɗin ga kalilan sai ka zo ka bada ka ce kana son a maka tigiya ko a maka sanarwar kaza a maka shi ko kuma yanzu ana gangami ana son a kiro jama'a in sa'an nan ne sai an yi gari zuwa gari amma yanzu sabila radiyo kai tsaye ne kowa da ya kunna za a yi jin sakon wannan tasha ta studio kalangu ita ma hanya ce ta ci gaba tun ta faɗakarwa ce tunda ana abubuwa da dama wanda ke kawo ci gaba studio kalangu kwarai ana samun ci gaba kwarai inda mutum na sauraron sai dai muna kira ga jama'a su mai da hankali ga sauraron da ba shi muhimmanci gaskiya akwai ci gaba kwarai ma ga wannan yanayi yanzu na sauraron gidan radio ana wayi ma mata kanu bisa kan matsaloli na rayuwar zaman duniya da abin da ya shafi bangaren lahiyarsu da lahiyar ɗiyansu da haraka tsabta da sauransu da yadda za su zamna da jama'a sauran mata su ma su kula da sauraron radio kuma su yi aiki da abin da ake haɗi cikin radio. muna sauraron studio kalangu akwai sauyi da sirtu saman kan bangaren waye kai bisa kan tsabtar gidaje da unhwani da gidan likita da sa sarari tsakanin haihuwa da aihuwa da ayyuka da yawa wanda suka shafi bangaren Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voilà, chers auditeurs, euh, nous sommes à la fin de cette édition de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Rukayatou Abdraman et moi-même, Ali Munkela alias Seno. Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour lundi avec un autre duo. Oui, à la technique, euh, c'était tout simplement Amina Hassan et la grande dame Adam Adawaki était à l'édition. Bon début de semaine à tous. Ciao, ciao. crazy.